Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce deuxième numéro de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou. Ce mardi 6 février 2024, pour vous servir, je suis Rukai Top Draman avec moi Fanta Shamsou. Bonjour Fanta, en forme ce matin Je veux bien Rukaya et toi comment tu Ça vas Ça va très bien. Alors pour ce matin, c'est d'abord le flash d'informations, ensuite de la musique 100% nigérienne au grand plaisir de nos auditeurs. Et dans la rubrique hebdomadaire, nous parlerons santé comme chaque mardi où nous suivrons ensemble un entretien avec Dr Andia Abdulkader. Il est interniste et gériatre à l'hôpital de référence de La prise en charge des personnes âgées ou du troisième âge sera au centre des échanges avec de Seydou. Toujours dans cette émission, il y aura la chronique euh, du sport euh, du loti avec les femmes du studio Kalangu, de la culture linguistique, euh, sans oublier l'écho des régions qui nous emmène aujourd'hui de la capitale du Damagaram, Zender. Et dans la partie entretien, tenez-vous bien, elle sera parfumée. Et oui, vous suivrez l'interview d'une fabricante de parfums, des senteurs enivrantes. Notre personne ressource est Maimouna El Rabé de la ville d'Agadez. Mesdames, restez à l'écoute. C'est donc parti pour 60 minutes de programme riche et varié. Nous démarrons l'émission avec le flash d'information présenté aujourd'hui par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Ruki, bonjour Fanta. Bonjour Rukika. Alors, dans une interview accordée à l'agence d'information du Burkina, le ministre burkinabé en charge de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanabo, a estimé dimanche 4 février, je cite, que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest va perdre annuellement au moins 45 milliards de francs CFA de prélèvements communautaires avec le départ groupé du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Selon lui, l'Alliance des États du Sahel concentre l'essentiel des ressources naturelles de la CDAO. Ce 6 février est la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. À l'occasion de cette 21e édition, le ministre de la Santé publique a invité les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine à redoubler d'efforts pour l'abandon de la pratique au Niger. Cependant, il a relevé une réduction progressive de la prévalence des mutilations passant de 2% en 2012 à 0,7% en 2021. En santé toujours, 13 776 cas de cancer ont été recensés entre 1992 à 2019 au Niger. Annonce faite par le ministre de la Santé, le médecin colonel-major Garba Hakimi, à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre le cancer célébrée le 4 février dernier. Selon une dépêche en ligne de l'agence nigérienne de presse publiée le 5 février 2024, le Niger s'est doté d'un centre national de lutte contre le cancer où 3000 554 patients ont été pris en charge depuis 2017, indique la même source. C'est tout pour le flash de ce matin. Rouki, rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Merci, beaucoup, Rafika. Chers auditeurs, comme annoncé en début d'émission, notre entretien du jour, ça sera avec Maimouna El Hajrabi, fabricante de parfums et autres cosmétiques pour le bien-être de la femme. Elle vit à Agadez et j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Fanta, mais bien avant de la rencontrer, nous allons écouter de la musique pour bien nous installer. Voici pour vous Mouya Ramuna Godia de Mariam Ibrahim. Ibrahim est une petite fille qui vit à Niamey. Elle est issue d'une famille de chanteurs. Elle s'est éprise de la musique dès ses trois ans. Elle accompagnait régulièrement son papa sur ses créations musicales. Mariam Ibrahim est révélée en 2020 à travers ses premiers singles intitulés Mouyara Munagodia, qui est chanté en Hausa. Cette chanson touche toutes les couches socioprofessionnelles qui aident et contribuent à l'épanouissement des enfants. petite euh, Mariam qui nous a chanté à l'instant Mouyara Mounagodia. C'est le moment pour nous d'entamer la première partie de notre entretien du jour avec Maimouna Elhaj Rabi. Virukaya est dans cette première partie. Elle nous parle de sa passion pour les senteurs et ses premiers pas dans la fabrication et la commercialisation de ses créations. On l'écoute. ni dai gaskiya na kai shekara ashirin ina harkar turare saboda wadda ta fara sa na harkar turare wata cadiyanci allah ya shi ta fatima mun yi sabo da ita na ta yi gidan tsofuwa ta can wajen hanyar duwan sai na ganta ta zo daga libi ta kasa kayan ta haka tana saidawa turarurruka da kaya dai iri iri ta kasu sai na tsaya na ci mata ina son sarin turaren wuta daga nan dai ne kawai muka saba da ita na sari turaren ta ta ce min tana so ta saida shi ne ta ta yi garinsu sai ta ce ina yarda zan turo min turaruka daga libi ina saida mata ina fidda riba ta nace mata ba matsala fatima sunanta daga nan dai muka saba da ni da ita na fara turare ne nan da shekara ashirin wani irin turare ne kuke yi gaskiya ina yin farci ina gyara farci da kaina ina gyara tafarci da kaina ina gyara kulacce da kaina kindikaye ina yin shi marshush duka ina yin su da su kulacca su humara su madara concentrate kala kala ina iya in hada wanga da wanga in ji kalar da zai badawa duka ina yin su ina gyaran jiki ina yin dilka ina hau da mace bisa rami in gyara ta kamar musamman macen da ta aiko wadda za ta yi aure duka ina yi alhamdulillah kuma ina cin nasara bisa su to a ina kuke samun kayayyakin aikin nan naku gaskiya daga libi ne wani bi ake kamin su wani bi kuma in na ta najeriya ne da yake yan cadkin nan ana kawo kaya ita najeriya ta kasance wuri ne wanda komi ana kawowa cikin ta duk kayan da kake so na duniya kana iya ka same su wani bi duk can ne nake dan sassamu kana ina hadawa concentrate kuma turare na jiki wani duka ina hada su tunda haɗa kala goma sha biyar in haɗa har kala ashirin ina iya haɗa ma mace. Kuk ce kun kai shekara ashirin kuna wannan sana'ar wani kalubale ne kuke fuskanta a Gaskiya alhamdulillah saboda ni gaskiya tun da na fara haraka turare ina sai da turare ina wanga shi kalubale ɗaya ne wanda nake samu wanda kawai wani bi nemi kayan hadashi in rasa kuma akwai lokacin da kayan libi suke yankewa sai ana zuwa nema ta ko da yaushe neman turare ba a samun shi saboda ina hada har tumbobi wa'anga manyan tumbobi ina hada su ina sarar da su tun ba tukuna ne daga libya ake kawo su manyan tukuna ne suna nan buloli ne zaki samun su kamar su ci kamar har suna kai akwai mai cin tano guda eh tunda wani bin na fara gyaran tare wanda zan hada tun ba guda in kwana biyu uku fudu ina gyara shi to su ma ina ba da sarin su to kalubale shine da wanda nake samu na kawai wani bi in nemi kayan hada su babu su kuma harkar libi ba kullum ake samun ta ba in nace in hada da wani kenan waɗanda suke sayan turaruka na sai su shi kamar ba haka nan bane ba shine kawai kalubale tunda harkar turare in kana son kada shi daɗi mutum ya sa jiya dole sai turarukan da suke fita wajen chad libya su ne ake samun turaruka masu kyau gaskiya to me ake ta matsayin ku na mace kuna sana'ar kasuwanci sannan kuna balaguro ma yaya jama'ar gari ke ganin haka to babu wani kallo da suke muku na daban to kallo dai in dai zuciya kaɗai ga Allah ai wannan duka banza ne tunda in dai ka tsarkake zuciya kauran Allah dama Allah ai shi ke ganin kowa to ni dai alhamdulillah na tsarkake ta kenan duk abin da mutane za su yi ai banza ne tunda Allah yana gani na kuma ya san nufin da yasa nake wanga kasuwancin kenan ni wannan duka ba zance na bane zancen su ne kuma duniya ba dama an shigo ta ba a rasa irin wa'anga abubuwa kuma sai da irin su ake ci gaba Allah ya kara kai mu gaba mu da musulmi gaba daya kuna da aure kuna da ƴaƴa nawa eh gaskiya ina da aure ina da ɗiyana guda biyu gaskiya ni abin da za ni kara miki ya ta bisa shi gaskiya alhamdulillah wanda ke zama na gara ya farka ya tashi saboda sana'a ita ce za ta kai ka matakin da wani bai kai ka ba Allah da shi ce ka tashi ya tanye ka kamar zama baya yi kamar ko kana da aka ce ka kara da wanka kamar yi ko arme gare ka in kana da ka sai ka taimaki kanka ba kullum zaka zo ka ce mijin kai baka ba in kana da diyanka sai ka taimake su a ko lokacin da kai baka da mijin ka bai da kai kana da amma sai ku taru ku rufa mu kanku asiri ku zamana saboda in Allah haɗa ku da zama kai da mijin da kake zamana tare da shi akwai taimakon da kai da shi mm. kenan Allah ma sai maka rahama bisa wannan taimakon da kake ma mijinka baya da kai kana da kenan sai ka taimake shi ma darar da ya samu sai ya taimaka maka kuma sana'a in ka shige ta da farko sai ka kamar ba ta a kai hankuri saboda wani sana'a ba ba wallahi tun da na taso nake cikin kamar sanoyi in yi wanga in yi wanga in yi wanga yanzu gaskiya alhamdulillah na gode ma Allah tunda iyata ma ga tanan ta yi koyi da irin su ire-iren tana iya taimakanta ta gyara ma wasu goma shikin ga komi tana iya ta yi duk bisa harkan gyaran jiki ne tunda tunda ta taso ta gani ina yi kuma ita ma ga tanan tana yi kenan na gode ma Allah kenan kowane ne yake zama ne ina fata ya tashi diyan shi da suke gaban shi kanana su ga kokarin da kake yi kenan su ma in suka tashi shine za a yi ni dai kira na da duk matan da ke duniya da maza ma duka gaba daya kawai kowa ya tashi ya nemi sana'a sana'a ita ce za ta kai ka wani mataki wanda mutum ba shi zai kai ka ba banda Allah da sana'a ka ba abin da zai kai ka cikin shi Voilà, chers auditeurs, c'était Maimouna El Hajrabe qui expliquait comment elle s'est lancée dans le commerce et bien sûr la fabrication de ses parfums. Mais ce n'est pas terminé. Dans la seconde partie, mesdames, elle va nous livrer quelques secrets des fabrication. Ça se pourrait que vous y trouviez votre bonheur, mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas pour tout de suite, on revient après la pause musicale, n'est-ce pas, Rukaya En tout cas, à moi j'ai très hâte. Mais bien avant, chers auditeurs, déguisons ensemble Manigo de Idi Sarki. Manigo qui veut dire tout simplement où es-tu en langue zarma. De son vrai nom Ibrahim Adamou, Sarki s'est lancé de la musique en 1996 avec le groupe de rap Djoroji. Sarki est l'un des plus grands artistes du Niger qui fait bouger le public nigérien. que les cieux des cieux, plus violent nous ouragan, plus incompréhensible que la foi est l'amour, mon amour. Aussi évident qu'aléatoire, aussi proche que lointain, aussi simple que sophistiqué, aussi subtil que bigarré, aussi harmonieux. qu'harmonieux est l'amour, amour. Cet amour qui nous tue, qui nous ressuscite, qui nous déracine qui nous galvanise, qui nous charme et désarme. Oh baby, cet amour qui nous unit plus que toute autre chose. Uh, voilà, chers auditeurs, c'était Manigo de Idi Sarki. Retour au studio pour la deuxième partie de l'entretien avec Maimuna El Hajrabe qui nous vient d'Agadeza. J'espère que vous êtes nombreux à attendre, à attendre cette partie comme Rukaya. Tout de suite, Maimouna va nous livrer quelques secrets de fabrication de vos parfums de corps préférés. On écoute. in ta akwai wani turare na ana ce mishi mai yana mai yana ake ce mishi to shine zaka samu guda ka samu lovilia lovilia wannan kowa san dai lovilia adadin yanda kake so kai shi wanga mai yana ba duka kake sa shi cikin madara ba sai ka samu kuma turaren ka wanga mai ake ce mishi ode kolon ka same shi kamar akwai ode rush akwai mai ake ce mishi marakana akwai amandin wanda dai ka gani kamar oje kola wanda kamshin shi ka gaina kana jin daɗin shi kana son ka shafa mm-hmm. to shi ne za ka yi kamar in ɗan kaɗan ne za ka kana iya sa loviliya guda biyu shi wancan mai yana kana iya ka buɗe murfin shi ka sa kamar murfi biyu sai ka gama da su cikin wani dan kwalba hakan ga sai ka buga ka buga za ka ga ya baka me ake cewa kabri zaka ga yayi kabri kaga kamar madara yayi fari bes sai ki samu kuma concentrate concentrate kuma sare fan da irin wanda kake so concentrate akwai wanda zaka samu ka sai har na san kimil ka zuba cikin madaran nan eh akwai wanda zaka samu na 2 mil mil mil iya dai kudin ka dai iya shagalin ka shine kenan ita dai madara ga yadda ake ta lovilia da za zaka sawa ana yin hatta da goma lovilia amma wannan mai yana kin shi ba a sadewa in an bude cikin murfi da biyu ake sawa in da yawa ne kana aika sa murfi uku murfin wannan mai yanan dan turare ne zaka ja to ban san wani wata ƙasa abin da ake kiran shi da shi ba amma dai mu dai nan cikin agadas mai yana ake ake yin murfin shi kuma yana nan kamar na ori ba ne yake mhm. yana da dan faɗi in na goma za ka kana aika sa murfin shi ɗa fudu ko ɗa biyar mhm. in na oliviliya biyu ne kana aika sa murfi biyu to kin ga sadifa kenan kana iya ka kwatanta yadda za a yi amma dai ba a sa shi duka in an sa shi duka madaras sai ta cire mhm. to daga baya in ka yi da hada shi yayi kabrin nan sai ka samu concentration ka masu daɗi sai ka zuba ka buga kawai ka ashe madara ta haɗu to kuma kuna yin humra e ina yin humra shi humran nan ya ake yin shi mi da me ya kamata a hada a ciki humra wanga kake samu farce kake samu farce akwai dolar akwai basma akwai wancan hafif ake ce mishi to ni dai gaskiya duk humrar da nake ta dolar ce dolar kuma babban turare ne duk mace wadda dai take sa turare da an kiran mata dolar ta san babban turare ne to shi da shi ne nake yin shi gaskiya kano nake samu shi kano nake samu shi yan cad nan da wajen maiduguri nan su suke kawo shi gyare nake sayan shi to in kika saye shi gyare za ki samu shi sai ki samu akwai wani turare da ake ce ma rovdar to shi za ki samu in dai kina son turare dai mai daɗi rovdar za ki samu sai ki samu kamar litur guda shi wancan garin humra to ban san daidai yadda mutum yake son ta ba shine dai zaka samu kama in kaɗan zaka yi ka samu litur guda na rovdar ka samu kamar kulli shi kullin ana saida shi kamar shika biyu da rabi rabi na kana extra kulli biyu in kuma kana da karamin hali kana extra na ɗari biyar to in ka sami sai ka samu wanga a ba rai daɗi ka samu wani ana na ana ce mishi alhaji abdullahi akwai alhaji ibrahim akwai su dai kaloli kaloli wanda ake sani da za su tada shi eh duk sunayen turare akwai alhaji abdullahi akwai alhaji ibrahim akwai abarai daɗi mhm. duka ana sa su cikin humar in kana suka aika samu garin sandal sandal shi ma yana nan ana kullin shi ka dala ɗari sarifan dai da yanda ka iya zaka sa in na dala ɗari zaka sa in na jika zaka sawa kana iya kasa duk sai ka hada su wuri guda ka samu wani dan ka ko wata kwalba babba duka ka gama su ka buga ka buga ka buga ka buga kuma ita humura ba a lokacin da kai ta ba a lokacin nan zaka shin dadin ta ba humura har wata guda take ka buga ta tana aje. lokacin nan zaka fiddo ta kuma mura in kana in san samu ce in ka buga ta ka aje ta cikin roba ka nemi irin gwangwani wanda ake fidda turaruka wa da ake kawowa daga masar to su ya kamata ka zuba ciki ka aje saboda ita umura da ka aje ta cikin abu roba kamar kazini take yi wari take yi yanzu akan ga cadiyan duk cadiyan kin da zaki gani ba ta aje humura cikin roba sai dai ta yi sai da ta cikin roba an ba ta aje ta cikin roba kuma haka turaren wuta ma ba aje cikin abu na roba sai da aje shi cikin abin gwangwani haka fatti cikin shi ake aje shi to ita kuma humar ana sai in kika buga ta a lokacin nan ba lokacin nan zaki shafa ta ba kuma ba a lokacin nan zaki saida ta ba sai ki aje ta sai wani lokaci kamar in ana son ta daga gauga ma ta samu ko sati biyu aji sai ki sati su ita ma kuma humar ana sa mata concentrate masu daɗi humar ni wadda na iya dai a yanzu dai ta kai kashi uku ta kai akwai da ake samu ode kula akwai da ake soyawa ko da ake samu concentrate kowa da wadda yake so yanzu in kuka samu koman kamar kuna samun nawa haka ga gaskiya alhamdulillah ya ta na goje ma Allah mutane jewa daga garuruwa ina musu koman da sari ni turare na gaskiya alje ana kai turare na ana da shi riba ba a magana alhamdulillah Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique. Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, si vous venez de nous capter, ne changez surtout pas de fréquence. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Nous entamons notre rubrique hebdomadaire santé. Et la semaine dernière, dans cette rubrique, nous vous parlions de la gériatrie et des maladies ou comportements qui que peuvent développer les personnes âgées. Eh bien, aujourd'hui, le spécialiste va s'apaisantir sur la prise en charge des personnes âgées. Le troisième âge, comme on les appelle, il est toujours au micro des Zainab Abdseidou. Comment se fait la prise en charge de ces personnes La prise en charge dépendra de ce pourquoi le patient arrive. Il faut savoir euh, classer, si c'est possible, la personne âgée en trois catégories pour faciliter la prise en charge. Et des personnes âgées, par exemple, qui ont 70 ans et qui n'ont pas de fragilité. Ils n'ont pas de perte de réserve sur le plan physique, mais également mental. Donc, ils continuent leurs activités. Nous, on les classe des personnes âgées qui sont robustes, qui ne sont pas fragiles. Eux, assez souvent, même quand on les voit en consultation, c'est des bilans annuels, ou bien quand ils ont une pathologie, on peut le référer voir le cardiologue ou bien le neurologue pour le suivi. Maintenant, il y a des personnes âgées qu'on dit qui sont fragiles. Alors leur fragilité réside en quoi C'est que ils ont à peu près un syndrome gériatrique, un ou deux syndromes gériatriques. Je m'explique. Par exemple, c'est des personnes âgées, on prend l'exemple aux alentours de 70 ans, qui ont une perte de poids, ils ont une dénutrition. Ou bien non, ils ont un trouble neurocognitif. Ça signifie quoi Ils ont des problèmes de mémoire. Ou bien non, troisième type de syndrome euh, gériatrique, c'est des personnes âgées qui ont un risque de chute élevé. Par exemple, ils ont un trouble d'équilibre ils ont un haut risque, comme on dit, de chute. C'est les personnes également qui sont fragiles. Ou bien le hmm. quatrième type de syndrome, c'est des personnes âgées qui ont une perte d'autonomie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles sont à la maison, elles ne peuvent pas faire les tâches quotidiennes. Aller aux toilettes, par exemple, parfois il faut une aide partielle. Ou bien karma, on amène le pot, il faut ça sur place. Ils ne peuvent pas se déplacer. S'habiller, ils ne peuvent pas le faire, il faut une aide. Ou bien même s'alimenter, il faut les aider. Donc, quand ils ont ces différents syndromes-là, ils sont fragiles. Et justement, l'évaluation de ces syndromes-là, quand le patient va venir, le gériatre va évaluer pour voir quel type de déficit de ces syndromes-là qu'il en a. Et donc, quand il a une dénutrition, il va d'abord, par des tests qu'il fait, détecter ces différents syndromes gériatriques-là. Donc, la dénutrition, le risque de chute, les troubles neurocognitifs, la dépression. il va regrouper tous ces syndromes-là et il va faire une intervention par rapport à ces différents syndromes que je vous ai cités pour corriger la fragilité et le ramener en patient robuste. Donc, l'empêcher d'aller en fragilité. Et donc, le troisième type, donc on a vu la personne robuste, la personne très fragile et la personne fragile. Par exemple, vous avez une personne âgée qui est là, qui a une perte d'autonomie totale. Donc, ils ne peuvent pas se lever pour aller faire leurs besoins. Il n'arrive pas à faire les activités de base et même spécialisées. Par exemple, il ne peut plus faire des transports en commun, par exemple. Par exemple, quand vous leur donnez des médicaments, ils ne savent pas s'il faut le prendre matin, midi, soir, ils oublient, ils sont fragiles. Par exemple, ils ne peuvent plus jouer avec leurs petits-enfants. Par exemple, même s'ils ont un téléphone, ils ne savent plus décrocher, ils ne savent plus composer un numéro. Associé à ça, ils ont une dénutrition. Donc, ils sont dénutris sévèrement. Associé à ça également, ils ont une dépression et ils ont des troubles neurocognitifs. Donc, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont fragiles. Et cette fragilité-là, entraîne une mortalité élevée. Donc ces personnes, souvent, on fait toujours cette évaluation gériatrique et assez souvent on les hospitalise et en les hospitalisant, on peut corriger ces différents paramètres-là, bien sûr avec les différentes pathologies qu'ils ont et essayer de les amener en pré-fragile et ou en non fragile, donc ou en personnes âgées qui sont robustes. Donc la prise en charge gériatrique a un outil L'outil, c'est quoi Ce sont des différents scores et tests qu'on utilise pour détecter ces petits signes de fragilité qui, quand on les stoppe, va faire en sorte que la personne fait un vieillissement réussi, sans pathologie ou bien équilibré et contrôlé. C'était là la rubrique hebdo santé. soufflant un peu en musique euh, avec le son d'Art de Sofia. c'était le morceau Tazeder de l'artiste Safiat, une chanson interprétée en Zerma et en Tamashek, une chanson qui parle de la situation des femmes dans nos sociétés. Fanta, passons à présent au reportage région qui nous emmène à Zender, où des arbres ont été plantés dans la ville lors des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre en 2018. Cependant, la grande majorité des plans n'a pas survécu par manque d'entretien. Et c'est dans ce sens que les volontaires de l'association Initiative pour un arbre ont décidé de replanter les palmiers d'Ati, également entretenir ce qui reste. Notre correspondant Aliketa est allé à la rencontre de ces jeunes volontaires. Abdul Karim Oumar, point focal de l'initiative, on l'écoute. matasa wadda ta ƙasa ga baki ɗaya saboda akwai ta a jihohi guda takwas na Nijar inda matasa suke gamuwa dirar lahadi ko subdu eh, saboda wasu a cikin ma'aikata ne wasu 'yan lakwal ne ranar hutu a gamu a yi shimke-shimken itace kuma a yi tattalin itacen ma abin da ya shahi yanke su da ake yi ko kuma eh, ban su ban ki wanda ya shahi wannan itace na dabino da aka shibka a sallar 18 desambar wadda aka yi wadda ake kira da zandar sabuwa inda aka shimka su za mu raba shi da datti da leda da duk wani abu da yake iya kama ice tangarda za mu sa taki kuma mu ba shi ruwa duk tun da aka zandar sabuwa da aka shibge shuken wannan ina ne kuka gano shukokin akwai su domin an san an yi shibge shuke amma wa an san babu an bisa ita wannan hanyar tunda mekiya take ta haya har tudun fos har zuwa hilin jirgi akwai nan akwai kuma inda take sabka bangaren ta wanda yake zuwa rompuwan na randa bakwai nan ma an yi shibke shibken tunda a sati da ya gabata mun tahi meri ta da magaran mun tattauna da wakiliya da take kula da bangaren abin da ya shahi gandun daji da yanayi ga gabaki da ta ba mu wurare-wurare inda suka yi shibke-shibke inda shibke-shibken wasu busu kama ba wasu an sake wasu basu samun kulawa wa'annan duka bayan mun yi wannan eh, aiki na bisa rana su ma wannan za mu koma bisa kansu ta hanyar wannan aiki namu na sa kai da muke yi tare da matasa kamar kuka shibka kuma nawa ne kuka tattala tunda kuka fara wannan ayyuka to da muka fara su wa'annan ayyuka lalle mun fara su tun harin 2023 mun yi aiki na eh, kwashe jibji ko shara na wanda ya shahi katanga ta eh, lise municipal da sai eje san a nan mun yi shifke-shifke mun shifka eh, ice wajen kusan guda goma sha biyar a layin wannan mun sa musu kariya a sallah ta samun incin kai ta uku ga wata na august mun yi shi ma shifke-shifke a cikin meri ta communicat da kuma communin ita wannan hanyar mun lura da cewa akwai wasu eh, itacen dabinan da suka mutu wanda babu su su ma mun sayo wasu itacen mun kawo mun maye gurbin yanzu ci gaba za mu yi da basu ruwa da basu kulawa saboda shi ice ba shifka shin bane yake da muhimmanci a'a kula da shi kin hali yayi a yi tattalin shi Hali ya girma don saboda a ci amfanin shi ne ya sa muka hi ba da karhi bisa kan banda an shibka hallo shi wannan aikin da muke yi so muke zamanto ya zamanto kamar waye kai ne a cikin garin da magaran don saboda mu kula da harkar abin da ya shahi shibka itace da tattalin eh, muna fatan shi wannan da muke yi magabata za su gani za su kula don saboda su kawo shi wannan dauki eh, ta bangaren kariya da nan itacen saboda kamar yadda na daɗi e, shi wannan mu aiki da muke yi aikin sa kai ne akwai itace da ake shimka na dogon yaro in kun lura a bisa hanyoyin wannan ana sa musu wannan makariya ta abin ga su wa'innan dabino bambancin su kamar dabbobi ba su cika amfani da su awaki da da sauransu mutane suka iya ka musu matsala ko a higa ko yara ko wani wane ne to bisa kan wannan muna fatan da zai zamanto eh, zuwa gaba ko muna cikin wannan wa'adi da muka dauka na wata biyu ko bayan mun yi shi in huskokin su wa'annan itacen ya sauya magabatan za su waiwaye su dan aka musu kariyar da ya kamata don su ci gaba da girma don su kawata birnin da magara C'était Abdelkarim Oumar, point focal de l'association Initiative pour un arbre au micro de Ali Keita. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Fidèles auditeurs, c'est le moment pour nous de recevoir Gourouza Hassoumi pour le sport. Bonjour Gourouza. Ruki, bonjour. Euh, bonjour euh, Fanta. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors, la 14e journée de la Super Ligue de football du Niger a pris fin le week-end dernier sur les différents stades du pays. Oui, Ruki, euh, pour le résultat définitif rapidement, AS Fan a battu la GS de Tawa 2 buts à 1. Le Liberté a disposé, a disposé de la gendarmerie sur le score de 2 buts à 1. 1-0 entre le Zumunta devant l'AS Douane. Le 3 euh, février dernier, l'espoir de Zender s'est incliné devant euh, l'AS Nigelek. Tagour a perdu devant la police le score de 2 buts à 0. Olympique euh, Renaissance 0-0 AS Garde a perdu devant le Sahel 1 but à 0. Pour le classement de la 14e journée, les occupe toujours la première place avec 32 points, suivi de la avec 30 points. La gendarmerie occupe euh, la troisième place avec 24 euh, points. Et quatrième, AS Douane avec 23 points. En bas du tableau, on retrouve Akokana Darlit. Et hors de nos frontières, demain mercredi 7 février 2024, nous assistons aux demi-finales de la campagne de football qui se joue en Côte d'Ivoire. Oui, Fanta, la première confrontation mettra aux prises deux géants du football africain, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ces deux équipes ont déjà fait preuve de leur capacité à surmonter les obstacles et livrer des performances exceptionnelles. Leur affrontement promet d'être intense et plein de rebondissements. Le deuxième match des demi-finales opposera la Côte d'Ivoire à la RDC. Ces deux nations impressionnées les supporters euh, lors de cette canne euh, par les jeux dynamiques et leur détermination sans faille. Chaque équipe se battra avec ferveur pour obtenir sa place tant convoitée en finale. Notons que ces demi-finales se joueront à partir du 17h et 20h. Guruza la FIFA a dévoilé le calendrier officiel de la Coupe du Monde 2026. Oui, Rookie, trois pays vont abriter euh, cette Coupe mondiale, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le coup d'envoi sera donné à Mexico le 11 juin 2026 et la finale à New York le 19 juillet 2026. 26. Il y aura également 26 équipes contre 32 depuis 1998. 104 matchs seront joués lors de cette compétition, mais les horreurs du coup d'envoi des matchs seront confirmés ultérieurement. Voilà pour le soir. Merci et à demain pour d'autres nouvelles sportives. Merci beaucoup, Gourouza. Merci. Donc après le sport, nous enchaînons avec la rubrique portrait. Oui, Fanta, nous partons à la découverte d'un jeune dessinateur et portraitiste du nom de Maman Abdou Imrana. Ismaël Harouna est allé à sa rencontre. Voici son portrait. Cette ambiance de crayonnage rythme la vie de Maman Abdou Imrana. Des cahiers d'école aux planches, l'artiste a grandi. Il se souvient de ses premiers gribouillages. C'est depuis l'enfance, euh, je me suis inspiré des dessins animés et autres. Mais pour les portraits, c'est une longue histoire. Quoi. Déjà, c'est à cause d'une femme. Quoi. C'est une histoire d'amour. Bon, à chaque fois que je finis une œuvre euh, et que je les compare, je vois que c'est bien fait. Maman Abdou Imrana rêve grand. Il veut professionnaliser son métier à travers sa maison de production d'œuvres d'art. Il précise les outils essentiels. Bon, les, les outils qu'on utilise pour faire un dessin quelconque, c'est pas trop compliqué. Il suffit juste d'avoir euh, du papier, des crayons, une gomme, euh, un trace, des camoufleurs pour sur lesquels déposer le papier pour ne pas que ça, ça soit pas impeccable. Revers et perfectionniste, l'artiste suscite l'admiration de ses camarades le cas d'un jeune artiste en art et culture. Yakuba Umaru Maman souligne les capacités créatives de son collègue Imran. Sa créativité est juste exceptionnelle et c'est juste euh, parfait, je trouve. Il arrive à se rapprocher vraiment de la réalité. Ses dessins sont tellement proches de la réalité que si on te montre ses dessins à une certaine longueur, tu peux jurer que c'est une photographie. Dans son coin de création, l'espace art et culture de l'université de Niamey, les admirateurs se rassemblent à bonne distance. Les éloges pleuvent comme des pétales des fleurs. J'apprécie vraiment ce qu'il fait. Il m'a vraiment impressionné puisque j'ai jamais vu un dessinateur pareil. Dès qu'il voit une image comme ça, il les dessine. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'avenir dans l'art. Vrai dire, lorsque je vis l'image qu'il m'a conceptionnée, genre c'était typique. C'est de bon augure pour le dessinateur Imrana. Malheureusement, l'État accorde très peu de moyens à la culture, à peine 3% dans le budget 2023. Ibrana exhorte les jeunes dessinateurs à démarrer avec des moyens personnels. Voilà, chers auditeurs appréciés, portrait, nous allons faire une dernière tournée musicale avec le titre Achamadera de Ali Atibi. Acha Madara, c'est le son que vous venez de kiffer de Ali Akibili Fanta. C'est le moment pour nous d'écouter le loti du jour. Oui, aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les mutilations génitales féminines, MGF. Au Niger, la mutilation génitale féminine est pratiquée dans plusieurs régions du pays, bien que des personnes associent cette pratique à la religion alors qu'aucune religion ne recommande cela. Elle est basée sur d'anciennes traditions, elle engendre des conséquences physiques et psychologiques sur la victime sur la victime. Plus de détails dans la chronique de Lotti présentée par Samira Rouafi et Rakia Arimi. lafiya wannan shine abin da ya kamata ki ma iya ki dan ki kiyaye ta wallahi ki yarda da ni kiki hada wa kowa maganan nan ki doko ta ki doko mota ki zo ki iske ni nan niya salamu alaikum kokoko rabiya haba rabiya an yi minti talatin da kika bar ni waje kina ta waya to ina da tsammanin ban zo ba da in takura miki fa hmm. ki gawarce ni uwa wallahi tunani ne nake tun ɗazu bayan kira da na samu na wata kakata. Lalle kenan ya kamata a ce cikin murna kike mana tun da kin samu labarinta kuma yadda na gani ga kiran ya daɗe na san da dai akwai wasu abubuwa da za a gaya mana. Murna Ami, wai so take in kawo iyata a Nusha ƙauye don saboda a yi mata kaciyar mata. Asha, A cewarta wai abu ne mai mahimmanci da zai kare ta ya kiyaye ta dangane da al'amuran duniya. Ban gane ba, wanga wani irin zancen banza ne, ke da kenan kina mini magana an yi miki shi ne. Ko kaɗan, a ina, mu a lokacin babanmu bai bar su su kai mana wannan abun ba. To ke ba a miki ba, amma kina son ki mai iya kaciya. Anya kina nan ga la'akari da abun da zai iya biyowa baya? Na ji dai wasu suna cewa wai abu ne wanda bai da kyau, amma ni ina ganin wannan zai sa 'yata ta zauna kurum. kuma kamar yadda ake cewa za ta zama ya mace mai kyau kuma mijinta zai ji daɗinta sosai a ɓangaren rayuwarta ta aure. Rabia abin da kike gayi baya da ma'ana, amma ina ganin da kamar har yanzu baki gane matsaloli da al'ajabin da wanga kyaciya da ake mata ya kumsa ba. To Hasiya, kakata ta ce wai. Ta ce mi, kakaki ta ce mi, buɗe kunnuwanki ki saurare ni yar uwa. Sanda za a yi mata wannan kaciya, jini zai iya bulle mata. Kin ga in jini ya bulle mata hakan gafa, mutuwa za ta iya yi. Kuma tana iya yiwuwa ciwon ya sa ta rasa rayuwarta kuma kake manta da cewa tana iya ɗauka wannan ta sacin kanta ya zama abun da zai sa sai ta mutu ba za ta ji daɗin rayuwarta ba kuma ga cututtuka da za ta yi ɗoka saboda an cire wani abu daga jikinta da ke kare ta kuma in ta yi aure duk lokacin da mijinta zai kusance ta za ta ji ciwo kuma har abada ba za ta ji menene daɗin kusantar mijinta ba haka kin ga yayi kin mata adalci Hasiya. Gaskiya ni hukin hara ba ni tsoro. Duka wannan abun zai samu iyata? Ai ban kare ba, kuma abun da ya fi tsananin ma shine duk lokacin da ta ɗauki ciki ba za ta iya aihuwa da kanta ba. Kuma inda likitan da ke kula da ita ba bai kware ba, wannan yana iya zama sanadiyar da za ta zama mace mai yoyon hitsari. Kuma za ta yi ɗauka wasu cututtukan ma'aifa, ta rasa jini, a ƙarshe ma ke sai ta rasa rayuwarta ko ta jaririnta. Ko ɗayan biyun nan dai, duk wanda an kai dai ya kamata ki gane da waga kaciya da ake ma mata ba abu ne mai alheri ba kenan ya kamata a daina ta subhanallahi ya salam kisan da ban san ba abun ga yana da hatsari sosai kamar haka ba wajen kiyaye iyata a shirye zan jewa ta cikin kabari iyata dai ba a mata kaciyar mata ba in Allah ya yarda in dai son samu ne ko ko wata iyar ma bai kamata ba a yi mata wannan aikin hasiya na gode sosai da kika waye mini kaina game da wannan al'amari ba komai gabi ayan ana tare ya kamata a taimaka ma juna amma ke ma ya kamata a ce ki kawo gudunmuwarki ya kamata ki kira kakaki ki kwatanta mata ita ma daga nata bangaren sai ta wayar da kan dukkan garin su gaba kaɗai abu ne da ya kamata ki kokari a kansa. Hmm, wacce kakartawa wannan jarababbar hmm. <laughs> Yaya zan yi in ka mata mazancan? To, kakar ki jefa ai ya kamata a ce ki wasa da ita tsaka ba safar jika da kaka aka ce. A'a, ya kamata wa ki daure ki mata magana. Ke dai barni nan inda kika gani. <laughs> chers auditeurs, c'était le loti du Desk Femme du studio Kalangu. Écoutons ensemble l'explication du mot criminalité c'est avec Maman Ada. Vous l'aurez compris, il s'agit de la rubrique culture linguistique. Ada, bonjour. Bonjour, Fanta. eh kamar da ke bayyana zancen criminality wato a uh, waɗannan ai lokuta na baya na ana bankaɗo ƙungiyoyi ko wato 'yan ta'adda ɗauke da makamai ko ɓarayi da makamai suna farma mutane suna hushe shaguna kuma suna suna safarar muyagun ƙwayoyi wannan shi ne ake ce ma wato mayan laifuka ko ta'addanci kuma wannan matsala tana daɗa ƙaruwa musamman a cikin birane to kuma kenan wannan idan ka duba wannan matsala wato doka ta ta hana duka duk abin da ya shafi mai laifuffuka ko kuma wani ta'addanci doka gaskiya ta tana Allah da shi kuma doka tana hukunta shi sosai wato haramtun al'amura ne kuma wannan al'amari na karuwa mai laifuffuka yana daɗa karuwa kenan ya zama abin da ke tayar da hankali wanda kuma ƙungiyoyi na doka ko kuma eh, alƙalai da wato kotuna suna ta kokowa domin hukunta masu hannu kan irin waɗannan mayan laifuffuka wanda a turanci za a ce ma criminal Mhm. Merci Maman Ada. Alors chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haussa, en germain ou en tamashek, N'hésitez surtout pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, écoutons à présent les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Soulana kalangu shirye mutane iya ƙara waye ma mutane kai kuma mutane suna ƙara gane tunda yanzu rayuwar ta yanzu da ake ciki sai ana eh, sensibilization mutane tunda yanzu akwai matsaloli da yawa in ba don radiyon ba da ake saurare yanzu da yanzu gaskiya abin akwai matsaloli amma yanzu masha Allah ai magati Hassan Hassan Kimba ko gurbon nan wallahi Rajo Kalangu rajono kan a ganda bon fere gumo ma a wani labarai nin kan gini hangan ni sifur bon hawaira dama lokaci ka lokaci na igano igano fulanci ne zarmaci ne hauski ne lokaci fon faransa no kokor ikul mo sanne igi charganno den sima wo ne ni gama wo ne kina kul gano igongai labarai no akan sai wo ai ga hangan no gum gum gumo in kun dai gingine dai hago habo ai ga pil dai ko ga dai raja oh eh ayang kai ga fode sintina dai aran bumbo kanka gi berandi gi gan me ka me ga han kun kine ai gai fo antonan da andu watin nan ku kan jin daga koi ai go gai fo antonan di do journaliste me ding me ai go gai fo antonan di ga sunana yusuf hasan to biskan shirye-shirye biskan harka dai abin ga harkar mata wannan masu awo da sauransu wasu wani bi mata sun ta awu ma wani bi ba su samu yana suke so yanzu yanzu in sun ta wata tuna asuba suke zuwa da asuba suke zuwa su yi tsaye nan sai wajen wutar fasi ma ba a fara ba to ga ya kamata maza ce sun ɗauki mataki suka wannan mm. kuma su da wuri su fara musu da wuri musu a sanya yana za a yi musu a fara musu da wuri kowa ya samu da suke so to ina gaida kai na fara nan a yarka ina gaida kuma Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin cette émission de ce mardi 6 février 2024. Vous étiez en compagnie de Fanta Shamsou et moi-même Rukayetou L'édition a été assurée par Adam Adawaki à la technique Mustafa Ayuba. Excellente journée à vous.